Voilà la parole de l'Éternel pour toi. Toi qui m'écoutes. La Bible dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne même pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te soutiens et je te fortifie par ma droite triomphante. Ah, Seigneur a promis, il a dit ne crains pas. Donc mon frère, ma soeur, ne, pas avoir la crainte, parce que la vie dit que de ne pas avoir la crainte, à Dieu il est avec nous. Donc, tout ce qui va t'arriver, tout ce que tu vois qui arrive, ne pas avoir crainte parce que Dieu est au contrôle. Il est au contrôle de ce, de ce pays, il est au contrôle de tout ce qui se passe. Donc ne pas avoir crainte, ne pas avoir peur parce que l'Éternel est avec toi. Ne pas avoir peur parce que la main de Dieu est sur toi et Dieu aussi protège ce pays. Dieu garde ce pays. Il est, il est le protecteur de ce pays. Il est celui qui garde cette nation parce que cette nation est son peuple, parce que nous sommes son peuple et aussi nous sommes son nation, la nation de Dieu, donc de Dieu vivant. Donc ne pas avoir peur, ne pas avoir crainte. Il est au contrôle, il te garde il te protégera. Donc que Dieu l'Éternel te bénisse, qu'il te fortifie, n'est pas avoir peur. Dieu au contrôle de tout.